après des activités sportives. Cette fois-ci, nous avons choisi dans notre programme d'activité de faire euh, des journées d'investissement humain dans les différentes artères de notre quartier, à savoir ouest -Foire. cela entre en droite ligne euh, des instructions données par le président de la République et par euh, M. Abdoulaye Djoussar, qui est notre maire au niveau de la commune de C'est la raison pour laquelle Ouest et notre mouvement n'a pas voulu être en reste. Nous avons voulu répondre à l'appel du président de la République et à l'appel également du maire de Yoff, Michel Bladoussa. Il faut que chaque quartier donne le peu qu'il a pour le bien de tous. Donc nous, notre slogan c'est ça, le peu de chacun pour le bien de tous. Si chaque quartier fait l'effort juste de se rendre propre, de, de s'organiser, de faire en sorte effectivement qu'il y ait une bonne hygiène, un bon cadre de vie, ben, la somme de ces actions-là pourrait éventuellement déboucher sur un Sénégal où, à défaut d'avoir en tout cas zéro déchet, au moins véritablement que les rues soient arpentées de façon paisible, que l'odeur ne soit pas nauséabonde, que le cadre de vie soit carrément accueillant. Et je pense que nous tous, Sénégalais, nous aimons nous habiller, nous aimons le beau, nous aimons le propre, mais notre cadre de vie, malheureusement, souvent, nous l'ignorons. Et tout ce que nous voulons faire de beau, tout ce que nous voulons faire de bien, sera annihilé si effectivement le cadre dans lequel on le fait également n'est pas un bon cadre. Donc je pense que déjà, pour notre bonne santé, pour euh, notre hygiène de vie, pour notre bien-être, nous devons quand même travailler autour de notre environnement pour que véritablement nous puissions nous y épanouir de la façon la plus correcte possible et de la façon la plus saine possible. C'est vraiment quartier bi dafa doon loo xamante ne être humain fu mu nekk fépp fu mu nekk dafa war set mu ñuy permettre ñu am hygiène de vie yu baax parce que ñun ay noble lañ ay noble ñoo dëkk fi manam bo dégg mané noble ñu ñoo ñoo dëkk fi noble du ci waxuma noble ci am am quoi mais noble ci direct lay né waaw te fi ay gars yépp fii gars yi ay noble lañ kon dañu war a dëkk fu set fu sel xam nga di am hygiène bu baax waaw di noy lu neex waaw parce que

donc yii nii tout le temps nous koy def ville nous ñu def Sénégal bi di def mais tamit baax na quotidiennement ku nekk nga koy def sa buntu kër jaar ci koñ bi et tout ça donc dina tax euh, li ñu bëgg suñu réew mu am. on dañuy def campagne de désensablement et de nettoyage des grands axes après ñu dugg ci 52 cités yi inciter les gens à organiser on va venir en appui ah, parce que là, la mooy que ni ñun suñu message bi gën a fort mooy ñàkk tilimal moo gën setal waaw. te te ku nekk da ngay produire ay déchets ku nekk doon jël sa déchets yi di di ko di doon toppatoo ni mu waree set setal sax du am waaw parce que man dañu jàpp ne set setal ci ci ci xel la ci xel la hygiène de vie ci xel la da ngay xam ne carrément que ne loo bëggul mu dal la waroo def fexe nu muy dalee sa morom daal loolu tax ñun tamit ñu ngi rafetlu initiative bi. pour rendre quartier bi propre c'est pour tout le monde c'est pour tout le monde nekkul pour man nekkul pour yow nekkul pour keneen loolu hygiène la baax na ci wér gu yaram baax na ci lépp.